waaw man maa ngi tudd Aïcha Aw maa jiite jigéen ñi ci cadre de concertation bi ak ci réseau bi dañoo xool ne euh, pour ñu mën dara foog ñu war cee siib ba mu daj parce que du ñu jël dara rek ñu toog benn rukk rek ne foofu rek la ñuy toog di lijjanti li ñuy lijjanti dañoo bëgg a war ba mu daj li waral ñu ñëw fii tey zone nord dañoo bëgg waa xamal waa zone nord lan la ñuy liggéey li ñuy liggéey nag euh, foog naa wax nañ ko fii. maanaam dañoo bëgg développé du ma wax développé jigéen ñi kese damay wax développé population Thiès parce que du ñu ne dañuy développé jigéen boo bëggee développé jigéen kese bàyyi góor ñi bàyyi xale yi dina am lu des ñun dañuy développé population Thiès bi yëpp. waaw ci lan la tënku mooy ñu wan leen ne lu bëri dañ ko bëgg a xeex. muy naxe bi duma wax naxe bi parce que buma waxe naxe bi dafa am fu may dugg tuuti maanaam kenn ñu nax man dama koy faral di wax sax suma ma toog ak jigéen ñi ñun jigen ñi duñu nekkati rek pour taral tante yi wala di taral jotaay yi dañoo bëgg am loo xamanteni ne ni moom la ñuy doxee li ñuy doxe mooy ñu mën a liggéeyal suñu bopp mën a amal suñu bopp sans autant que ñuy xaar kenn di xaar euh, di xaar politiciens yi pour ñu ñëw ci ñun wala ñuy xaar keneen pour mu ñëw ci ñun dañoo bëgg ñun ah, personne ñun ñu amal suñu bopp wutal suñu bopp xool yan moyen la ñuy jaar ba amal suñu bopp loolu moom message boobu la ñu indi woon zone nord tey jàmbat bi ñuy yëkkati Euh, dañ ko gis surtout ko ci jigéen ñi la jekk gis jàmbat bi parce que seen jàmbat kër gi la kër gi nag pour ñu dugg fii pour ñu dugg ci kër yi euh, dañuy leen dañuy dugg ci kër yi pour développer leen nu ñuy def ba développer leen maanaam ñu taaral kër gi taaral kër gi nag doo ko waxee du génn sunu xaalis sunu poche yi wala sunu saaki xaalis pour jox leen ko taaral kër yi mooy ñu wan leen nan la ñuy def ñoom ba am koom-koom ci biir kër gi message ñoom loolu la ñu ñaxtu fii te ñun jël nañu not ci li ñu wax incha allah dinañ fi ñëwaat suñ fi ñëwaatee euh, li ñu jox comme message dinañ ci dellusiwaat pour waxtaan ci ak ñoom ñu trouver ci solution ñun li ñuy def ak politique bokkul ñun dañuy jóg pour développer foog naa wax naa ko sànq dañuy jóg pour développer Thiès jóguñu pour euh, pour ñuy politique biir Thiès dañoo jóg pour développer Thiès comme que dañoo jóg pour développer Thiès dañuy teg fee politique te ñàkkul na xëy na benn jour parce que mënuñu wax développement aussi sans politique mënuñu wax ne dañoo bëgg a développé te duñu ci dugal politique parce que booy développé rek yaa ngi politique duñu wax ne politique guñu déedéet mais dañuy wax ne développement pour le moment moom moo ñu ñor te ci loolu la ñuy dox waaw Filipikowem. Euh, une forte, présence des femmes, euh, les participations des femmes sont connues. Qu'est-ce que vous envisagez de faire concrètement oui, oui, ce que nous euh, envisageons, ce que nous avons envisagé de faire par rapport à ça, d'abord, je félicite également le coordinateur M. Abikon, qui d'emblée vraiment a octroyé au niveau des femmes, n'est-ce pas, une centaine de carnets de mutuelles, n'est-ce pas, pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès vraiment à la, à la, à la santé, n'est-ce pas. Il a également niveau du cadre de concertation, n'est-ce pas, des, ateliers de formation, n'est-ce pas, de différentes activités, nest pas, qui va leur permettre à être autonomes par rapport, nest à leur, orientation. Donc il y a des concrets par rapport au, cadre de concertation et euh, elles-mêmes, elles ont, elles ont vu de leurs propres yeux, que euh, nous leur avons vraiment donné l'opportunité de finalement se développer par rapport euh, à ces ateliers, n'est-ce pas, de teinture, de, cuisine, à des ateliers également de, de, transformation des huiles locales, etc. etc. Donc elles-mêmes, elles ont vu que vraiment il y avait de la matière, il y avait quelque chose vraiment à, à, apprécier, au niveau du, cadre de concertation. Donc ce que nous pouvons dire à ce niveau-là, c'est vraiment positif, encore une fois de plus, par rapport au cadre de concertation pour le développement de Thiès. Mhm. Le cadre de concertation est né il n'y a pas longtemps, mais on le constate déjà, le cadre est très actif. Euh, à mi-parcours, on a, euh, on a moi après, euh, quel bilan peut-être tirer aujourd'hui, quel enseignement mais un, bilan, mais un bilan positif, un bilan positif grâce vraiment, un bilan positif grâce à, à, un courage déterminant vraiment du coordonnateur à qui vraiment nous, nous félicitons M. Aboukan, qui ne mélange aucun effort pour la réussite vraiment de ces objectifs qui ont été assignés, n'est-ce pas, qui ont été assignés au niveau du, cadre. Il y a également des membres des membres qui, sont actifs, qui sont également dans le terrain du matin au soir, pour s'atteler par rapport, n'est-ce pas, toujours à ces, à C'est ce qui fait aujourd'hui que le cadre de concertation est en avance sur beaucoup de choses, n'est-ce pas C'est ce qui fait que le cadre de concertation aujourd'hui est en train vraiment de démontrer au soir que nous sommes en train de, démontrer au soir que nous sommes capables de faire quelque chose pour notre ville, pour notre région, Thiès, Vous êtes en train de transcender les divergences politiques non, mais absolument, nous l'avons surmonté. Ça, bon, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. On ne parle que de développement dans le cadre parce qu'on euh, veut vraiment s'atteler à l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que euh, euh, le dessin le de notre ville de Thiès ne peut que se forger et se, mouvoir à travers sa capacité à se retrouver autour d'une vision unitaire. Donc, afin de discuter des préoccupations des populations, il n'y a pas de politique, n'est-ce pas C'est le développement aujourd'hui, c'est le développement demain et c'est le développement après demain, encore une fois de plus. ci wolof. waaw ah. li mu wax fii xanaa jot ngeen mën